donc euh, maa ngi leen di jaajëfal di len remercier ci euh, sen teway bi ci siège bi siège u euh, Sénégal 2035 bu nek fi ci boulevard Dial Diop en face cinéma El Mansour donc di rafetlu sen teway pour ñew nemmeeku et puis xol lan la nam ak luma may fit lima may fit nag lu simple la man ci gox bi la juddoo màggee fi yaroo fi def fi sama humanité def fi sama enfance football fi nawetaan ci gox bi ah yàgg fi def ay action donc ba ni may amee bac dem bitim réew jàng jàng du droit après dugg fofu ci école nationale d'administration yor fa ay commune am expérience de 18 années de gestion communale en France donc tay nak bima ñibissé sama réew ñu nek période jonganté c'est tout à fait normal euh, en fonction de mon expertise mané a ah na andi une valeur ajoutée par rapport à gox bi niñ ko gérer par rapport à administration communale bi niñ ko gérer du question am fit question lucidité la et puis vraiment bëgg tamit euh, yok xalé yi yok askan wi changer le cadre de vie té lolu ñima ma ko àndal machallah allah euh, xarañ nañ ci am nañ ci expérience motax ñu né dal ce sera notre euh, contribution notre participation lex générationnel qui a bëgg programme bi ci tënk suñ temps d'ailleurs mi ngi circuler ci réseaux sociaux yi ah amna aussi site internet www.bounakante2022.com So demee programme activités yi ñuy tous les jours donc programme est ci donc axe bu njëkk bi moy sécurité bi parce que bi défé diagnostic de l'existant gis nañ né sécurité bi ci quartier bi ci gox bi vraiment moy priorité numéro 1. parce que fépp fu ñuy dem à travers les visites de proximité ñin ñangi joy sécurité bi parce que le sentiment d'insécurité dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayo. donc motax euh, tay euh, ñuy ñaan vraiment Yalla dimbalé ñu tek ñu euh, ci bop mairie bi pour que ñu mën a saafara jafé euh, jafe yi askan wi di jankontel ci walu sécurité donc li ñuy ñëk def moy ay mesures yu tar recruter dans les sept quartiers jeunes yi dëkk ci quartiers yi ah ñu am ay brigades mobiles yo xamné jeunes yi ñoo koy un euh, ñu def partenariat avec la police bi nekk fi ci gox bi police.e pour ñu former jeunes yooyu tagat leen et puis très rapidement danañ voter police bobu ben prime mobilité pour faciliter leur déplacement gens ont des moyens logistiques plus tard. et puis loolu yëpp ñu un dispositif de vidéosurveillance dans la commune parce que le dispositif existe mais a quelques points là, au niveau de la commune nous avons 4 5 points et loolu doyul donc nous avons faire un maillage complet au niveau dispositif vidéosurveillance Nous avons non seulement dinañ enregistrer dinañ enregistrer et su nous avons un ay nous ñu mën enregistrement tek loxo ñi def ñaawteef yooyu donc loolu ñu ngi ciy waxtaan ak waa police je pense que aussi am nañ ay partenaires yu nekk bitim réew nan ñu ci euh, jàppale et puis commune bi comme ni ma koy faral di wax 70 des ambassades ñu ngi ci commune bi am na ay partenariats yu ñu commencé tënk teg ko avec les ambassades qui sont basées sur la commune et puis inshallah le slogan au niveau de la sécurité c'est 100 jeunes 100 jours pour régler la sécurité dans ce quartier là et puis nous euh, avons nu ñuy état pour renforcer le dispositif d'éclairage public parce que pour l'insécurité barrière rek xamal éclairage bi donc nous avons réhabilité avec le concours de l'État pour que nous ayons un réseau performant et que nous ayons donc kooku euh, sécurité bi la wàllu emploi employabilité des jeunes comme ni koy dit toujours c'est une commune commune c'est un diamant brut à polir Madame, on a un tissu dense au niveau économique parce que toutes les ambassades enfin toutes les entreprises du Sénégal sont logées dans cette commune les plus am entreprise rek dans cette ci commune bi parce que euh, c'est 25 000 habitants mais il y a 150 000 actifs yu nek ci commune sur information yi les éléments de recensement. Ce qui fait que c'est une commune, c'est une zone d'activité dense. Mais le constat, c'est que les jeunes qui de cette commune, de nous profiter ci euh, vraiment avantage commune bi commune très rapidement dinañ avec euh, tout ce qui est euh, tissu économique dem à la rencontre des chefs d'entreprise waxtaan ak une passerelle entre l'institution municipale et puis le milieu Professionnels, entreprises avec bien sûr des incitations fiscales pour leur permettre de recruter des jeunes à compétences égales. Parce que sur on littoral bi yëpp suñu commune les terres, bi six Plaza Radisson euh, université le centre hospitalier institution c'est des milliers et des milliers d'emplois mais il faut les lier donc je pense que war nañu gestu xale yi nek ci commune bi mais lool yeb il faut une démarche il faut que mairie bi am de la présence pour que ñu mëna a nouer ay partenariat jappalé xalé yi RSE bi ñu ngi ciy waxtaan ak entreprise te je pense que loolu lu am solo la parce que man fi ma au niveau de la caisse de dépôt consignation au niveau RSE man mako ko yore te xam naa li mu mën jër ci gox ñu ngi dimbalé sax ay commune yu melni ni en Casamance tabaxal len fofu ay structure de santé donc euh, loolu moom lu ñu maîtriser la macha allah te xam suñu mairie activité à la rencontre des entreprises pour que levier RSE bi ñu mën mettre en œuvre afin que commune bi am valeur ajoutée donc euh, deuxième aspect bi la formation des jeunes parce qu'on est dans euh, une zone boo il y a beaucoup de jeunes qui ils sont sortis du système scolaire il faut qu'on leur donne une seconde chance par la formation. Et là, il y a des structures étatiques, il y a 3FPT, à nous pour que nous conduire les jeunes vers la formation. Et très rapidement, on va créer un service d'information et d'orientation des jeunes pour vraiment accentuer les politiques de l'État au niveau local. Donc, c'est le deuxième volet, emploi, employabilité des jeunes y a le volet cadre de vie parce que dañu avons ci commune qui fekk fi ay des routes bitumées un réseau d'éclairage public un réseau d'assainissement bon quand on voit point E c'est vrai que nous ngi fay tabax ay bâtiments yu mucc ayib ay R plus 5 R plus 9 mais nous fay des yépp du sont yu ci très souvent ils viennent des autres contrées donc euh, permis de construire le maire bi moo délivré, nous, ñun en tant que maire suñu délivré délivrer permis de construire nous dinañ waxtaan les chefs d'entreprise les promoteurs à compétence égale ne leen aussi ndaw yi nekk ci pour le cadre de vie gis euh, très très là là. ci ci période yi may wax ak recruter nañu cinquante jeunes ci ou fonds sur suñu poste, bop, yoo tous les jours nous ngi nettoyer commune avec des partenaires qui ont bitim des matériels de dernière génération des camions balayeurs Yo xam aussi dañuy laver tout ça vraiment population bi yëpp ñu koy gis donc on peut faire on peut poser des actions alors que nekkoo maire donc réseau d'assainissement bi muy compétence état dinañ xol aussi naka lañuy def pour améliorer le réseau d'assainissement parce que point E bi ñu ni actuellement day ta té lool du point E dafa une Résidence dañu taxaloox donc on doit revoir le réseau d'assainissement parce que point E, c'est le futur quartier d'affaires. Donc la population se densifie de plus en plus alors qu'il n'y a aucune démarche prospective pour accompagner cette évolution. De ce dinañ ci Inch'Allah. tank depuis le financement des femmes nous filles. koy accompagner les au niveau des écoles comment nous allons faire chaque école dina salle informatique parce que on veut aussi que les enfants nous très tôt au numérique il faut pas attendre que nous dem à l'université pour que nous jàngal tout ce qui est informatique parce que même même si nous bi ça informatique da ci place de choix donc les métiers de demain informatique là donc nous dès le bas âge nous jël nous xale yi comme ça se fait dans les écoles privées donc muy le volet scolaire et puis euh, force du territoire moi il li toujours développement local c'est prendre les forces du territoire les agréger pour le bien-être de la population commune bi dafa am force. on a une piscine de dernière génération au point e, mais les enfants de la commune malheureusement sont pas fay parfois dañuy dem pas lab parce que une commune dafa taxaloo Donc, la donc natation dañ koy ci programme scolaire de telle sorte que les ñuy dem au moins dinañ mën être autonome au niveau natation parce que lool la a commune yu nekk aux alentours amuñu piscine piscines. Ah, au niveau scolaire ben, xalé warul deuk ci commune bi am difficulté scolaire parce qu'on a l'université qui est dans notre commune il suffit juste de contacter les étudiants le soir ils viennent donner des cours Xalé yi am ay parce que c'est ça agréger les forces du territoire et puis pour relever des faiblesses donc philosophie c'est ça la philosophie du développement local et le dernier point c'est au niveau social parce que pour la première fois Fiti Sénégal nous avons un CCAS un centre communal d'action sociale recenser toutes les familles vulnérables dans cette commune nous avons un passe sociale ak passe sociale c'est mairie bi dina jënd ay denrées de première nécessité ceeb douline, sucre, ainsi de suite képp n'est que dans le besoin avec ta carte passe sociale si ñëwee ci épicerie municipale dañ la des prix subventionnés à 50 si vous avez 10 000 lay jar yow dinañ la ko jaay ce sera avec des critères performants Nous avons un site internet aller vers la dématérialisation même de l'état civil Nous savons que si yow soo bëggee sa extrait de naissance ce que ngay demander par internet nous le ko et c'est ça la modernité c'est ça une commune smart et que nous voulons bëgg C'est ce que nous décliné ko suñu programme et puis avoir un comportement éco-responsable parce que les écologistes du Sénégal nous ont rejoints on est en train de travailler au niveau cadre de vie, hein, comment éviter la pollution, comment euh, éduquer les enfants pour avoir des comportements éco-responsables, comment aller vers le tri sélectif. Tout ça, moi, c'est un programme que nous voulons tenir Inch'Allah, de la population jox ñu pour nous dérouler. par rapport au sport c'est vrai que on a un projet mais quartier comme nous l'avons est étouffé et on a constaté que 35 de l'embouteillage C'est dû à un mauvais stationnement parce que nous tabac en hauteur après euh, une progression verticale parce que ville non la développé nous avons di dem après espace parce que Dakar c'est 0,3 de l'étendue du territoire qui polarise 70 de l'activité économique donc Dakar tout espace on est obligé de construire en hauteur mais malheureusement construction à def on prévoit pas assez de parking les gens se gardent dehors nous am encombrement donc très rapidement dinañ mettre en place un système de circulation communale plan de circulation sens de circulation et dañ koy panneaux de signalisation pour organiser la circulation au niveau sport moi je suis un ancien sportif sama tête de liste Awanar Fall je remercier au passage c'est la présidente de la fédération des rollers du Sénégal donc ñun ay sportifs donc le projet sportif nous tient à cœur mais beaucoup ko def comme par exemple football bi vais jox exemple parce que j'ai été un footballeur de la gendarme j'ai joué en France jusqu'en national j'ai mes diplômes d'entraîneur j'ai été président de club mais li ñu bëgg ci sport bi aller vers l'élite c'est-à-dire dans tous les quartiers on va prendre les meilleurs les former subventionner au niveau de l'équipe au niveau de la municipalité pour que nous visions l'excellence comme on le fait à Niary comme on le fait à Guédiawaye Tay, amna une équipe bo xamné ñu ngi titiller les meilleurs au niveau national et c'est ça notre philosophie du sport, prendre les meilleurs et les amener vers l'excellence. au niveau des électeurs, bang leen di wax que ñu bayyi ñu leen di nax, di leen jox ay 10000, ay 5000 parce que quand la ci jox 5000 jappal ne ci 5 ans yi at bu nek 2000 francs la jox. Soko jëlé ci wër ay 150 francs Donc non à l'achat des consciences xool leen ko am programme bu baax